Nigérienne, Nigérien, mes chers compatriotes, surtout Salafada, l'artiste altesse s'exprime. Et... Vous, vous rappelez certainement de Suleiman Bontassi. Il était sur l'émission Franco Aoussa du studio Kalangu hier. On avait parlé du parcours en question du combattant. Aujourd'hui, sur la Fada, nous allons réunir toutes les conditions qu'il faut pour parler des œuvres de l'artiste sur cette émission. Altesse Slamer, la machine te souhaite la bienvenue. Merci beaucoup. Sur tout Fada. Comment tu vois, Tu pètes la forme ou c'est la forme qui te pète Est-ce que c'est pas moi Je pète tellement de forme, eh, je déborde quand même. Il pète la forme, il déborde comme on dit. Altesse, parle-moi tes œuvres artistiques. J'ai une idée de quand est-ce que tu as commencé. Nos amis jeunes qui kiffent cette émission ont une idée de quand est-ce que tu as commencé le slam au Niger. Alors aujourd'hui, dis-nous combien de sons, combien d'albums, combien de vidéos disponibles. Ils ont besoin de savoir plus en tout cas, ce que je peux dire, nous avons déjà fait un premier album qu'on avait beaucoup. Le premier album, c'était Campagnard, qui a été couvert par, par une série de spectacles dans la tournée Slam pour mon Niger. On avait commencé par le premier titre avec Cousinage. Après Cousinage, il y a eu Voile brisé. Après Voile brisé, on a eu Patriotique. Après Patriotique, on a eu Dirganaga. Après Dirganaga, il y a eu Accident. Après, il y a eu Baba Baba. Mhm. C'était la fin de ce premier album. Nous sommes revenus les titres que nous avons lancés officiellement. Euh, actuellement, nous sommes sur la production du deuxième album. Dans le deuxième album, nous avons commencé par lancer. Le deuxième album s'appelle bien sûr Afrislam. Et dans Afrislam, nous avons lancé un premier titre qui était Fiji Bonnet. Après Fiji Bonnet, on a lancé un deuxième titre qui s'appelle Mon pays, une manière de mettre en valeur toutes les ethnies de ce pays-là qui sont très formidables, mhm. magnifiques. Mhm. Après ça, nous sommes venus avec un troisième titre qui actuellement fait déjà son bruit, qui est Genjimen Sosobu. Après, Genjimen Sosobu, nous avons lancé un autre titre qui s'appelle Ils te diront, qui actuellement aussi continue de faire son bruit. Donc, euh, je peux dire que l'album va bien débuter avec quatre titres qui déjà s'annonce bien et commence déjà à nous imposer et à nous donner notre place qu'on mérite. Quatre titres déjà disponibles. On va donc décortiquer ces titres one by one. L'album s'intitulera comment déjà Afrislam. Afrislam, pourquoi Afrislam et parce que dans cet album, il y a une partie qui est, qui est, plus. Il y, a une, partie qui est. Parce que déjà sur le slam, mhm. il y a une partie de cet album qui parle de l'Afrique en tant que telle il y a une partie de cet album aussi qui met en valeur ma communauté en tant que telle. Le premier extrait ou la première vidéo disponible, c'était quoi déjà la première vidéo disponible, c'était Bonnet. Pourquoi Bonnet Qu'est-ce que tu voulais dire par Figibone et Par Figibone, en fait, nous sommes dans une communauté où eh, le droit de ce, à ce dernier temps le droit, si je peux le dire, de prétendre à la belle ou bien à la princesse de son père mhm. est devenu quelque chose que les gens ont commencé à monnayer. Mhm. Et c'est pas bon parce qu'on se dit que l'amour ne se monnaie pas. L'amour, c'est pas un forme de commerce, c'est pas une source de revenus. Mhm. Il y a beaucoup de jeunes qui se voient humiliés, qui se voient rejetés dans les familles. Parce qu'ils n'ont pas dosé. Parce qu'ils n'ont pas dosé. Mais après avoir présenté cette vidéo, est-ce que tu as rencontré des difficultés et eh, parce que euh, la plus grande difficulté qu'on rencontre, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se disent non, c'est pas bon, il y a un manque de respect à l'égard des aînés, c'est que nous disons aux gens, les œuvres d'art ne sont pas que des sports de sensibilisation. Il nous arrive de choquer cette communauté pour que la communauté comprenne qu'il y a un mal qui gangrène et qu'il faut le prendre au sérieux. C'est pour ça que vous allez voir dans le dans les gestes, nous avons été très forts pour que les gens comprennent que effectivement le problème de ce mariage, euh, le problème du, euh, que les jeunes qui n'ont pas les moyens, que les jeunes pauvres là souffrent énormément dans le cadre des processus. Deuxième extrait cette fois-ci de l'album, c'est quoi Dial euh, C'était mon pays. Mon pays, le Niger. Oui, c'est une manière. Tu as mis en avant la fraternité, le travail, le progrès. Tout, tout, tout. Parce que Troisième extrait de l'album, euh, c'était quoi déjà euh, C'est Ganjimin Sosobu. Sosobu, c'est quoi la philosophie de Ganjimin Sosobu La philosophie de Ganjimin Sosobu, c'est-à-dire il y a des mauvaises pratiques que les gens font et les gens persistent dans ces pratiques-là. Nous voulons dire à ces gens-là une manière de leur dire laisser ça, c'est pas bien parce que la finalité est toujours mauvaise. Aujourd'hui, tu prêtes de l'argent, tu refuses de rembourser. Alors que c'est à cause de ces gens-là que même demain, quand la personne là qui a, qui a le cœur de prêter aux gens, demain, si un autre il va dire dans tous les cas, j'ai prêté avec un tel, ça a mal fini. Il y a des gens qui aujourd'hui, par exemple, quand nous prenons sur le plan politique, on vient on nous ment, on disparaît pendant 4 ans, on réapparaît. Ou carrément le BND a des fois aussi euh, qui, vous donne 11 000, parce que j'ai vu que ça fait aussi le, le sur la toile, 11 300 francs CFA qui, il faut peut-être aussi dire un certain nombre de choses. On va revenir plus en détail sur cette question, certainement sur l'émission Tous à la Fada, où nous aurons eh bien évidemment besoin eh, de la présence euh, de, toutes, les parties. toutes les parties, mm. donc sur l'émission. Alors, Altest, nous sommes à la fin parce que le quatrième titre est déjà lancé et tu as dit que c'était quoi Ils te diront. Ils te diront. Alors, aujourd'hui, nous allons finir cette émission en slamant. Bientôt, les élections, le deuxième tour deux candidats, Bazoum Mohamed du Pendestaria, Mahaman Ousmane du RDR Tchandji. Est-ce que tu peux me laisser un message très fort à l'endroit de la jeunesse nigérienne pour que ces élections puissent se passer ou se dérouler très bien Altesse, toute la jeunesse nigérienne te kiffe. Regarde la caméra. Slap Fils et filles de ce pays, ce pays nous a donné vie et abri. Il nous a donné amour et respect. Aujourd'hui, nous, nous devons aller faire le choix dans la paix, dans la fraternité, dans la tranquillité. Que ce soit Bazoum ou bien que ce soit Ousmane, l'important et ce qui prime, c'est celui qui s'occupera de nous, de nos frères, de nos pères, de nos mères, de la stabilité de ces couleurs, de ce pays qu'on aime tant, de ce pays qu'on qu'on envie tant, de ce pays que nous aimons tous. Et moi, je peux te couper à tout moment. Exemple, je te prends la parole. Mustapha, Ayuba était de la partie, il a assuré la de cette émission, c'est Nisaka pour le son. Le directeur technique Ali était de la partie pour la supervision. Nous vous demandons, mesdames et messieurs, s'il vous plaît, de rester en compagnie du programme du studio Kalango. C'était Altesse Slammer, c'était la machine.